les les me font dire que la contrainte de temps nous oblige à donner la parole à deux personnes dans le débat général il s'agit du docteur Hawa Bokarli et de Sérine Mohamed Al Arabi ensuite nous passerons la parole à madame le ministre avant le mot de Thierno assalamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatu o mi salmini on bandiraɓe tengti onon rewɓe wonɓe dowɓe mi salmini on e yettinande on kadi salminago mawniraɓeɓe jinnaɓe ɓe manam sohna madina muntaga tal sohna faɗima sohna joɗoli uh, sohna haldiata touré sohna safili e galle omar en foof somi wi galle omar yen noon wayne fongoni tandiraɓe cheikh oumar saabu ko cheikh oumar woni hoore nde kono liggey o ko yimɓe fof mbaɗde ɗum kala neɗɗo ouest africain ne wawi darade wiya min komi tanum cheikh oumar saabu nde cheikh oumar yahata nde tani mo yarinoema walla tawoyi ɗum toon uh, donc te teme thématique o henna haalama ko uh, le pouvoir tamporaire religieux traditionnel. Mais monsieur, professeurs professeur et chers frères et collègues, euh, Abdoulaziz et mon ami aussi, mon frère que je n'ai pas vu depuis longtemps, Abdoul, euh, cette thématique m'a posé a été avant toute investigation euh, des dynamiques interactives qui peuvent les régir. J'avoue que cette thématique a suscité chez moi beaucoup de questionnements, car si on procède à un tour rétrospectif historique, en jetant un regard sur les institutions de l'Afrique précoloniale, on se demande si ces concepts temporels, religieux et traditionnels seraient applicables actuellement. À partir du moment, euh, à partir de quel moment on s'est fait appeler ces temporels religieux et traditionnels et ces segmentations dans les pouvoirs où en était-on du temps de nos ancêtres Bien entendu, euh, l'idéologie coloniale a fait table ronde de ce qu'il avait trouvé ici en Afrique, c'est-à-dire les organisations. Pourtant, on peut dire qu'il y avait l'imama du Fouta Jalon, qui fut le premier royaume théocrate situé dans l'actuelle Guinée-Conakry pour les différencier des autres deux Guinées dont on a entendu parler lors de la Coupe d'Afrique. Où 14 Almamia, Almami se sont succédés au pouvoir durant 171 années. Cet imam devint une puissance régionale euh, par la guerre et par les négociations. Notons qu'il fut aussi constitué de neuf provinces. Et également, on peut parler, on en a parlé et reparlé, mais on ne saurait le sauter. Le royaume du Tekrou devenu Futa Toro, une vieille civilisation de 1031 années. Je dis bien 1031 années, c'est-à-dire de 850 à 1881 et qui ont marqué la révolution Torodo de 1776 qui fut initiée et guidée et instituée par le lettré de Pir Khanyakhor, euh, Bal, qui mit en place des institutions politiques religieuses, sociales, l'Almamia. Il élaborera une constitution connue sous le nom. Il y a également euh, l'imam Il y a également l'imamia, l'Empire Sokoto euh, de, de Ousmane Nous avons les représentants du Nigeria ici que nous saluons, euh, qui fit à travers les djihad, les djihad qui instaura aussi et qui fut un éducateur. C'était pour lutter aussi, comme la révolution Torodo, contre, contre les, les injustices, euh, pour l'égalité, pour la transparence. Ce tour d'horizon que nous ne saurons développer par manque de temps, euh, montre que depuis, des centaines d'années, voire des millénaires, euh, avant la domination coloniale, il, il y avait des institutions politiques fortes en Afrique. Alors, une institutionnalisation euh, peut-elle être fonctionnelle quand elle n'est pas endogène, c'est-à-dire basée sur nos cultures et sur nos valeurs Le concept traditionnel est souvent assimilé à l'esprit des dominants à, arriérés, à, Traditionnels, ça veut dire ils sont arriérés. Et antérieurement, le temporel et le religieux étaient une seule et même chose, n'est-ce pas euh, Et même euh, une seule et même réalité. Il y a eu aussi, il n'y avait pas de segmentation de principes et de pouvoir. Alors, pour ne pas avoir une, pourquoi ne pas avoir une conscience historique comme dirait mon maître à penser Cheikh Ante Diop. C'est-à-dire conscient de ce que nous avions hier et conscient de ce, que nous, euh, étions hier. Je termine, je termine, je termine, je termine, s'il te plaît. J'ai presque terminé, il me reste deux lignes, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. En d'autres termes, à partir de l'imamia du Foutot Jalon, de l'Almamia du Foutot Toro, de Tcherno Suleiman Bal, de l'émirat de Sokoto d'Ousmane Danfodjo, et de son fils Mohamed Bello, pour refonder une constitution et établir des relations entre les dirigeants et leur peuple pour réellement assurer le bien-être de nos peuples et le développement de notre sous-région euh, qui est aujourd'hui la CDAO, qui correspond à ce que les Français ont appelé eux-mêmes l'empire tout couleur de la Omar. Je vous remercie. ñu jox euh, kàddu gi euh, Sidi Arabi Niass mu joxe contribution incha allahu